financier. Nous appelons toute la population de Guédiawaye à venir voter et nous, nous venons tout juste d'accomplir l'acte citoyen. ñëw nañu voter nañu ci jàmm ak ci salaam te yaakaar nañ ne loolu mooy continuer ba fin ba di woo population de Guédiawaye nous ñu voter le plus massivement possible nañu génn voter pour nous délivrer fi nguuru Macky Sall je voudrais vous remercier. Euh, je viens d'accomplir mon devoir citoyen en votant tranquillement pour ces élections législatives. Et je voudrais rendre grâce à Dieu de m'avoir permis, après quelques difficultés de santé, de venir voter ici à l'école 16. Euh, je voudrais aussi dire à la population de Guédiaway de venir massivement voter pour la liste Yehui Wallo. Voter pour cette liste engendre des conséquences extrêmement importantes pour l'avenir de notre pays et pour le devenir de la nation. Il est important que dans ce pays, qu'on puisse faire amorcer au Sénégal les bases d'un changement durable, profitable aux populations, à même de remettre notre pays dans la voie du développement économique et social. Les Sénégalais, nous l'avons senti durant la campagne, sont fatigués. Les Sénégalais sont meurtris par la malgouvernance du régime du président Macky Sall. La jeunesse sénégalaise durant toute la campagne. Celle-là, dynamique et patriotique qui nous a accompagnés, nous a fait comprendre son mal vivre, son désespoir. Et c'est la raison pour laquelle la coalition Yeyu en amorçant un nouveau virage et en imposant au président Macky à partir de ce jour historique pour l'avenir de notre pays, la coalition Yeyu va tout faire pour être en phase avec les préoccupations des Sénégalais. Et les préoccupations des Sénégalais, ce sont des préoccupations pour le développement. Ce sont des préoccupations pour la démocratie. Ce sont des préoccupations pour l'expression des libertés. Ce sont également des préoccupations pour le développement immédiat dans notre pays. Les Sénégalais nous ont dit durant la campagne que cela suffit. Il faut que le Sénégal change. Et le changement-là est incarné par la liste Yeyualou, ici à Guédiawaï, dirigée par mon jeune frère, le maire Ahmed Aïdara. Je suis sûr qu'au soir de ce 31 juillet, la liste Yewi va gagner haut la à Guédiawaï et qu'ensemble nous allons continuer avec des populations à travailler, à ne ménager aucun effort pour servir les populations afin que celles-ci soient les seuls bénéficiaires des grands agrégats du développement économique et social de notre pays. Nous rendons donc grâce à Dieu et nous sollicitons encore une fois le vote massif des populations pour la liste Yéhi Wallou qui incarne la liste du changement. Euh, d'abord pour, l'appel de paix. Vous savez, euh, la coalition Yeyou euh, Walou est une coalition non violente. Vous avez vu durant toute la campagne, nous avons exhorté les populations à la non-violence. Puisque bien évidemment, le Sénégal est un pays de démocratie, on le dit. Mais cela qui amène la violence en général, c'est ceux qui ont la force. Et ceux qui ont la force sont en général au sein du pouvoir. Nous les appelons à accepter le résultat du vote des citoyens. Dans tous les cas, la coalition Yeyoualou n'acceptera pas aucune forme de confiscation de la volonté populaire. Nous n'allons ménager aucun effort à travers la jeunesse, à travers les populations, afin que le vote soit sécurisé et que la démocratie puisse triompher, puisque en dernier ressort, il appartient au peuple sénégalais de choisir ses élus démocratiquement librement, sans aucune forme d'entrave. C'est la raison pour laquelle, bien évidemment, nous lançons un appel à la non-violence, non-violence incarnée par le régime en place. Mais nous, nous allons continuer notre chemin. Et aujourd'hui, aux fermeture des bureaux de vote et après le décompte, nous allons verrouiller notre victoire, puisque la victoire est certaine ici à Guédio et dans l'ensemble du territoire national. Marak, Souma le maire Ahmed Aydara, accompli le devoir citoyen voter Je Ahmed Aydara diko ñaanal listu Yewwi Askan Wi fi ci Géejawaay di ko ñaanal aussi listu Yewwi Askan Wi ci Sénégal yépp ak wàllu ndaxte sénégalais yi ci campagne bi ak bien avant campagne bi dañoo sonn ci régime président Macky Sall dañoo sonn ci nguuru président Macky Sall sénégalais yi lan la ñuy wax il faut que Macky jóge fi ak régime am ndax lan ndax sénégalais yi dañoo xiif sénégalais yi dañoo sonn sénégalais dañoo mar

mooy troisième mandat du fi amati mooy Sénégal am beneen xarkanam xarkanam boo xam ne nii lépp lu doomu réew mi yelloo dañ ko koy jox Sénégal bu changé xarkanam mooy ban mooy Sénégal bu amatul corruption Sénégal bu amatul mal gouvernance Sénégal boo xam ne ni alalu réew mi dañ koy delloo ci doomu aadama yi ñu jëriñoo ko ci hôpital yi ci njàngale mi ba pare xale yi amaat yaakaar ci ëllëg Sénégal mooy dëkk ba nga xam ne nii ci àdduna bi ñu fi découvrir pétrole gaz ñëpp ne am nañ yaakaar waaye tey jii boo duggee ci kër yi boo laajee xale yi boo laajee jigéen ñi boo laajee baykat yi boo laajee nappkat yi boo laajee sàmmkat yi lañ lay wax mooy jaxle gaa ngi gën a yokku tuumaraanke gaa ngi gën a yokku loolu nag li ko fi jëlee mooy jële fi Macky li ko fiy jëlee mooy empêché ko mu def troisième candidature li ko fiy jëlee mooy fal liste yeeyu wàllu ba nga xam ne ni dañuy dem assemblée nationale deb assemblée bu bees assemblée nationale bu ngeen seetloo bi Sénégal amee indépendance ba léegi ah fi ko sénégalais xaar gisuñu ko la moo tax gisuñu ko parce que député yi dañuy nekk député yoo xam ne nii majorité mécanique le pouvoir bi di am loi bu ko neex mu voté lu ko neex mu def te lu exécutif wax rek législatif bi def ko Sénégal nag jot na ñu am séparation des pouvoirs exécutif bi di def li mu war def assemblée ba di def li mu war a def justice bi def li mu war a def waaye nag loolu pour mu am il faut que ñu jëlee fi nguur gi fi nekk jëlee ko fi nag mooy tey jii ñëw voter voter pour le changement voter pour le changement boobu dina andi Sénégal loo xam ne nii lu rëy lay nekk ci Afrique ak ci àdduna bi maa ngi gërëm waa Guédiawaye di gërëm waa Sénégal yëpp parce que xam nga tey jii man damaa tawatoon eh, génn bitim réew waaye ñibbisi naa ci jàmm ànd ak suma camarade yi ak suma compatriotes yëpp ma profité ci occasion bi.

ku jigi xeex na ba sonn ne régime bi du organiser élection waaye ñoom ñu lànk rek ne ñooy organiser élection président Macky Sall lànk ne moom day nekk joueur ba pare nekk arbitre. loolu moo tax tey jii bu amee ay jiixi jaax am violence bu amee Sénégal rek mën nañu wax ne moom ak régime am la waaye xam nga opposition amuñu doole bay créé violence gis ngeen fii école CS bi ñu nekk ni ci Guédiawaye dañoo ñëw voter tranquillement bu ngoonee nag bu yàlla defee ñu gagner te si nous dañuy gagné nous bëggé ñëw si bëgg ci suñu victoire ah lool Nous duñ ko nangu faire. xalé yi duñ ko nangu Sénégal yi duñ ko nangu ñom dañu wara accepter ne tay ji lépp lépp dina ñu Sénégalais yi tànn sen ay député parce que sénégalais yi ñom mom sen réew sénégalais yi ñom mom sen réew te buñu soxla sen amul homme politique bu mëna sénégalais yi kon nak sénégalais yi Si nous librement tranquillement bu ngoonee ñu xobi xob yi ku gagné ñu xam ne yaa gagné te wóor na ne Yewwi Wallu daañu gagné Sénégal am assemblée bu bees pour tabaxaat beneen Sénégal maa ngi leen di gërëm di